Un système d'infrastructures performant favorise le développement d'un pays. Le Sénégal, notre pays, s'est engagé dans un programme de développement de ses infrastructures routières en général et de son réseau autoroutier en particulier. À travers le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, par le biais de son agence d'exécution, la route l'État du Sénégal a consenti des investissements importants au cours des dernières années pour la réalisation de 2526 km de routes revêtues 6673 km de pistes aménagées, la construction de 189 km d'autoroutes et 20 ponts. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, les infrastructures euh, occupent une place importante. C'est la raison pour laquelle le président en a axé une bonne partie de ses interventions donc dans cet axe-là. énormément de réalisations ont été faites en termes de réalisation d'infrastructures. L'Arabie saoudite euh, nous une coopération bilatérale euh, très solide avec le Sénégal sur plusieurs volets. Euh, en particulier, donc, euh, la relation entre le président, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, avec le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Malik Salman, ainsi que son prince héritier Mohammed bin Salman. Donc, cette excellente relation vraiment a pu faciliter la réalisation de plusieurs projets tenus. Vraiment, le Sénégal est un, est un pays qui est en route vers l'émergence et ceci montre donc la volonté de ses gouvernants. La réalisation prochaine de l'autoroute Dakar-Tiwaron-Saint-Louis sur 200 km et le prolongement de la voie de dégagement nord VDN en autoroute entre Tiwaron-Peul et Djamniadio sur 20 km sont deux projets liés qui porteront le linéaire d'autoroute à 531 km d'ici l'horizon 2026. L'autoroute dakar tiwaon va prendre départ au niveau de la VDN prolongée à autour de Lagrose pour desservir les agglomérations de, de de Noto, de Tiwaon sur 66 km. Une autoroute avec tous les aménagements nécessaires pour une autoroute moderne. Autant de réalisations en droite ligne avec le plan Sénégal émergent qui a placé la promotion des infrastructures de transport comme base et en même temps élément structurant du développement économique et social du Sénégal. C'est un projet qui fait partie des projets les plus importants du chef de l'État ici dans la région de Kies en général et le département de Tiawan en particulier. Un projet aux impacts positifs multiples à l'endroit des populations, les impacts socio-économiques sont réels. Euh, la première impact, est économique. Parce que vous savez, euh, euh, le département de Tiaon, c'est presque le grenier, on peut dire, du Sénégal. Deuxièmement, c'est une zone industrielle. Le département de Tiaon représente 3600 hectares de sous-sol minier. L'ensemble des grandes industries minières sont au niveau du département de Tiaon. Construire des routes constitue un levier important du développement économique parce qu'on peut produire. Euh, le cas a été bien démontré à euh, notre yama Avant la construction de l'autoroute, les gens peinaient à acheminer leurs marchandises, les produits agricoles à Dakar. Aujourd'hui que cette route a été construite, ce problème est derrière nous. Nous allons vivre les mêmes choses avec cette route qui va permettre aux commerçants de Tiwawan de quitter le département en un temps record, d'aller placer leurs marchandises à Dakar et vice-versa. L'autoroute en deux fois deux voies entre Dakar et Tiawan avec 6 km de contournement disposera de quatre échangeurs dont un sera connecté à la VDN et trois autres à Kayar, Noto et Tiwawan. Ça va être une autoroute en deux fois deux voies euh, avec un terre-plein central de 2,6 mètres et euh, une bande d'arrêt d'urgence de part et d'autre de 3 mètres. L'autoroute Dakar-Tiaon-Saint-Louis, projet présidentiel majeur, va fortement participer au développement de l'agrobusiness dans la zone des Niayes et de la pêche dans la zone de Kayar, Mboro et Djogo. ah buñ ko defee daanaka chauffeur yi lañ ko défal parce que ño fay jaar té amna ndar ñi ndax au moins na xaw a accident yi. projet bi c'est très important ndax it euh, nek na lo xamni wax dëgg yalla bu yalla dogalee mu ñëwit dina am importance ci sunu gox yu melni nga xamni presque dafa xawa enclavé wu. dina tax produit yi nga xamni day génn fi ci suñuy dëkk mëna dem bu gaaw ci fi nga xamni fi la jëm. bu fekkon da nga wara utiliser ci glace lu tollu ci 10 bac. def nga utiliser lu 7 bac 5 glace gi Avec l'autoroute dakar tiwaouan la difficulté à rallier les villes saintes de Tiwawan Yassane, Tienaba et pire lors des gamous et autres événements religieux ne sera plus qu'un vieux souvenir. L'autoroute est l'une des infrastructures les plus sécures en termes de déplacement. Et c'est un projet que les populations de toute la zone attendent particulièrement les populations de Ndiassan, Kienaba et, et, Quand je le dis, je parle de Gamou. Ce projet est extrêmement important et nous interpelle par rapport à cette mission qui est dévoilée à la famille d'animation religieuse, d'animation de la tariqa tijane. Donc euh, c'est un projet extrêmement important. Une fois que ce projet sera finalisé, ça va développer le confort au niveau de euh, la circulation des personnes, des voitures, des véhicules et euh, peut-être même renforcer surtout la sécurité. En outre, considérant l'ambition du président de la République de faire de la souveraineté alimentaire une réalité, le projet d'amélioration des zones de production agricole PCZA du Nord et du Centre a été initié. Il concerne au total 387 km de route dans la région de Thiès. Il faut rajouter euh, le projet de désenclavement interne, notamment le PSD, aujourd'hui constitue un programme important pour améliorer la connectivité des zones rurales, auquel s'ajoute le programme de connectivité des zones agricoles euh, et le PDSAM, qui sont des programmes financés par l'État du Sénégal avec le concours respectif de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Le PDSAM, c'est un projet qui est financé par l'État du Sénégal avec l'appui de la Banque mondiale et qui vise à améliorer la connectivité dans les zones de production agricole. Maintenant, le projet est divisé en huit lots. Hein, et, ces lots euh, concernent donc au total euh, six régions du Sénégal. Le premier lot, c'est l'axe euh, Kawon bosnibi Et le deuxième lot va de Berkilan à Mabo, Sintiwana et Toubassalou. Et puis on a un autre lot qui quitte euh, frontière Gambie, prévu à Kungel, qui passe par Touba Almine et qui continue vers euh, Lourdes et Ribo Escale. Et de Ribo Escale, continue vers euh, Velingara puis euh, Lumbeldana sur la Nationale 3. Et puis on a un autre lot qui concerne euh, Darembelehe, y compris la brute de Yangyang. Et puis le dernier lot concerne donc la région de Thiès. Euh, à travers deux tronçons, à savoir Moro-Djogo en réhabilitation et puis le tronçon Tiawan Pambaldaro Alpha qui sera aménagé et, revêtu. Il est prévu le bitumage de la route Tiawan Pambal Alpha sur 20 km, la réhabilitation de la route Borojogo sur 23 km et la construction de nombreuses pistes de production dont l'axe djogo djogo sur mer. Dans le cadre de l'appui aux collectivités territoriales traversées, Dix salles de classe, des murs de clôture d'école, des magasins de stockage, des plateformes multifonctionnelles pour les femmes et un poste de santé seront réalisés. L'autoroute Dakar-Tiawan est un maillon important de l'autoroute transafricaine numéro 1 ATAI, le Caire, Dakar, passant par la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Elle est également une des réponses à ces enjeux de connectivité des territoires et de valorisation des potentialités économiques, minières, touristiques et agricoles du Sénégal.